Oui, oui c'est bien, oui, c'est hors de l'école. Vous avez le choix. Soit votre enfant est à l'école, voilà. mettez-le dans hors de l'école. Il n'y a pas de souci. hors l'école. Oui, on a le enfants. Qui reste là-bas j'ai dit que les, les, enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Votre enfant ne sera pas vacciné, vous le gardez chez vous. Oui. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est l'État camerounais, ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital. Madame, vous ne nous apprenez pas le travail. D'accord, c'est l'État qui a Vous ne voulez pas, vous prenez votre enfant. Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'on vous a forcé C'est l'école de l'État. L'école du Cameroun. Vous avez fini, vous prenez votre enfant, vous partez. Vous partez. Vous partez avec votre enfant. Ouais, papa, c'est compliqué. Si votre enfant est en classe, il sera vacciné prenez votre sang, pour rentrez. Si votre enfant reste là, il sera vacciné. Et je vous dis, si vous dites, je le mets là, je le vaccine. Moi, je vous dis, mettez l'enfant là dans la classe. Mettez votre enfant. Mettez votre enfant dans la classe. Mettez votre enfant dans la classe. Vous racontez souvent vos histoires de nouvelles. Je suis, je suis à Nebel. Maman, pardon, pardon, pardon. Je n'ai pas besoin. Non, non. Maman, je n'ai pas besoin de te toucher. Je t'ai dit que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine si tu le mets ici, je le baptise. Tu veux essayer ce n'est pas une question de voix. Je dis que si tu mets l'enfant là ici, je le baptise moi-même. Si tu ne veux pas combattre ton enfant, il rentre à la maison. C'est simple. Tu ne veux pas combattre, il n'est pas dans ton enfant, il rentre à la maison. Quand ne va pas venir à la maison. On ne va pas venir tu à la maison. On ne va pas venir chercher à la maison. Mais s'il est à l'école, on va le ne négocie pas. Il y a les choses qu'on négocie la mère. On ne négocie pas l'autre là. Tous ces enfants, j'ai dit que je les vaccine. Si tu veux, je te donne mon identité. Si tu es capable de bouger quelque chose. Je te donne mon identité. Je suis né à Nebel. Hein. Laisse ce que je suis aujourd'hui. Je suis né à Nebel. Voilà. Donc, il n'y a même pas de souci. J'ai dit qu'on a dans cette place, de le vaccine. Monsieur, bonjour. Il y a les enfants qui ont déjà vaccinés à la maison. Oui, il y a la masse. Il y a la masse. Ça s'est effacé. Non, c'est le... deuxième tour. C'est le deuxième tour, il y a eu deux Le premier tour, c'était du 18 au 20 septembre. Là, c'est le deuxième Parce qu'ils sont passés de porte en porte ici au camp. On a encore passé même de porte en porte. Mais est-ce que la vaccination est obligatoire À l'école, oui. Si ces parents ne vont pas accepter. À l'école, oui. Non. Parce que c'est...